Thank you. auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Salamatou Kadri et à mes côtés, Fanta Chamsou. Salut Fanta. Bonjour Salamatou, comment tu vas ce matin Je me porte bien. Nos salutations également à ceux de la régie, Adam Adawaki et Raylatou Soumana, nos chefs d'édition. Et le technique, et le technique est assuré par Mustafa Ayouba. Aujourd'hui, dernier numéro de la semaine de notre émission, nous débutons par les infos avec le flash. Et comme nous sommes vendredi, il y aura la revue de la presse suivie de nos rubriques quotidiennes, l'écho des régions, la culture linguistique, le sport et la chronique Lotti. Nous allons voyager ensemble à travers de la musique 100% nigérienne. Ce n'est pas fini. Dans la partie entretien de cette émission, nous allons parler du système inclusif de l'école Mamadou Nuhu de Tawa, une école qui accueille les enfants en situation d'handicap visuel. Ça sera avec la directrice d'établissement scolaire. bonjour chers auditeurs, sans trop tarder, voici le flash d'information avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Salamatou Kadri, bonjour euh, Fanta Shamsou. le flash d'information à présent. Première sortie hier 23 novembre du général Abdraman Tchani depuis son accession au pouvoir suprême de l'État après le coup d'État en juillet. Le président de la transition nigérienne, le général de brigade Abdraman Tchani, s'est rendu au Mali et au Burkina Faso pour une mission de travail et d'amitié au Faso. Euh, notons que euh, ces visites euh, du président du CNSP s'inscrivent dans le cadre de l'affermissement des liens de coopération entre les trois pays, tous membres de l'Alliance des États du Sahel AES. Au Mali, le général de brigade Tiani s'est longuement entretenu avec son homologue Assimi Goïta. Au Burkina Faso, les deux chefs d'État ont échangé sur des problématiques communes à nos deux pays, notamment la lutte contre le terrorisme et les questions de développement socio-économique. Par arrêté en date du 23 novembre 2023, les autorités de la ville de Niamey ont interdit la manifestation qui projette d'organiser le Forum pour une citoyenneté euh, responsable FCR à Niamey le 25 novembre prochain pour la défense de la démocratie et de l'état de droit selon lui. La marche suivie de meetings prévus à la place de la concertation vise à exiger la libération du président déchu Mohamed Bazoum détenu à la résidence présidentielle depuis la chute de son régime le 26 juillet passé des questions sécuritaires, risques d'infiltration et des troubles à l'ordre public sont les raisons avancées par le président du conseil de ville de Niamey dans son arrêté. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, et celle de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Madame Aïssa Lawa wanderma ont pris part au forum régional sur l'éducation tenu hier jeudi 23 novembre à Tilaberi, placé sous le thème problématique de la continuité des activités pédagogiques dans la région de Tilaberi, défis et perspectives. Ce forum a réuni l'ensemble des acteurs clés du secteur de l'éducation en vue de trouver les voies et moyens pouvant favoriser le retour effectif des enfants de la région de Tilaberi à l'école. Et c'est tout pour euh, le flash d'information de ce vendredi 24 novembre 2023. Merci Mokhtar. Chers auditeurs, direction Tawa pour l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous sommes avec la directrice de l'école Mamadou Nuhu, Madame Zakir Sadet Andilou. une école qui accueille aussi les enfants en situation de handicap, notamment ceux avec une déficience visuelle. Mais avant, savourant un peu de musique pour bien nous installer, voici le titre Sabou de Faixi.

Fiacre, connu sous le nom de Fiaxi, jeune artiste nigérien, il incarne la polyvalence artistique. Il est comédien, musicien, slammer et formateur en création artistique. Relevé au public en 2015, Fiaxi s'est consacré entièrement à l'art. Sa participation à travers euh, pièces, à travers euh, pièce de, pièce de théâtre et film a marqué les esprits particulièrement avec son spectacle Ticket Rêvé présenté avec succès en décembre 2019. À travers cette chanson, Sabou, il invite à plus de gratitude pour tous les bienfaits dont juste les êtres humains sur Terre. chers auditeurs, c'était Fiaxi avec le titre Sabou. L'entretien du jour, ça sera avec Madame Zakari Sadoto Andilo, la directrice de l'école Mamadou Nuhu de Tawa. Dans cette première partie, Madame Zakari nous explique le concept du système exclusif. Elle inclusif. désolé. <laughs> Elle évoque également quelques difficultés que rencontrent les élèves malvoyants qui fréquentent son école. Une, une interview réalisée par Fanta Chamsou. D'abord, c'était l'école des filles qui recrutait commande des filles. Elle a été créée en 1956. C'est une des écoles coloniales en fait. Elle fit l'école intégrée pour aveugles en 2000. Donc pourquoi de Nouhou C'est pour euh, rendre hommage à un des, des premiers instituteurs du Niger en fait qui est ressortissant d'État. Et cette école compte combien d'élèves Expliquez-nous le système inclusif de l'école. Donc l'effectif total est de 283 élèves dans 127 filles et 156 garçons y compris le jardin. Pour ce qui est du, du nombre des élèves en situation d'handicap, ils sont au nombre de 14, dont 7 garçons, 7 filles, cette année. D'accord. Et comment les cours sont dispensés Bon, elle est dite école intégrée. Pourquoi Puisque impliquant des classes intégratrices. Si vous prenez le CI, le CP, le CE1, les élèves sont les seuls handicapés de leur classe avec leur maître spécialisé. Mais arrivé au CE2, on fait l'intégration. Comment se fait cette intégration L'intégration, on les place avec leur père, du normaux comme on dit, avec leur père qui voit. Et il y a des maîtres, toujours les maîtres spécialisés qui les accompagnent. Ils dispensent les cours normalement. Mais une fois avec leur comment on appelle ça, le support de la leçon et autres, là, avec les leçons, on transcrit ça en braille. Voilà comment ça se fait. que vous rencontrez des difficultés ici hein? Bien sûr, les difficultés, on n'en manque pas. Vous voyez, donc, euh, ces élèves-là sont ici des familles, eux aussi, euh, leurs familles sont démunies. D'autres sont ici des familles même handicapées visuelles. Nos enfants non-voyants, leurs parents aussi, pour la plupart, sont aussi des non-voyants. Mhm problème, le problème le plus crucial, c'est leur, leur déplacement. Certains habitent plus de 3 km. Quand vous prenez Coyette, par exemple, ça peut atteindre 2 km ou, Adata. Ils logent là-bas, mais tôt le matin, si les parents n'ont pas les moyens de leur assurer le déplacement, des fois ils viennent à 9h ou plus même à l'école. Donc le problème de déplacement là, c'est ça qui cause leur état. C'est ça le problème le plus crucial qu'on rencontre. Et des fois, même les autres abandonnent. Ils abandonnent puisque les parents ne peuvent pas assurer à chaque fois leur déplacement, aller-retour. Vous voyez, 500 par jour, plus l'argent de récréation, c'est beaucoup pour un demi mhm. Le second problème, c'est le recrutement. Ceux qui sont même à l'école ne sont pas maintenus, à plus forte raison ceux qui vont copier les parents là pour amener leur enfants à l'école. Ouais, cette année, on n'a pas recruté d'élèves handicapés. Et il y a des handicapés visuels dans la ville. Voilà. Les, enseignants sont là, ils attendent les enfants, les enfants ne viennent pas. Mhm. Est-ce que vous avez des techniques d'approche ou de sensibilisation Vous partez vers eux Donc, euh, le moyen qu'on utilise, c'est surtout le canal de, de la fédération là. À chaque fois, ce sont eux qui font des plaidoyers, ce sont eux qui animent les, comment on appelle ça, des sensibilisations. Ils font ça pour essayer de convaincre les parents et d'amener leurs enfants, puisque les enseignants qui enseignent là dans les classes intégratrices sont tous de la production de l'école de nous. Ils ont étudié ici et maintenant ils sont même des enseignants. Mhm. Donc avec ça, si on essaie de montrer aux parents, peut-être ça va, ça va essayer de, les convaincre pour venir. Mais euh, est-ce que vous avez assez d'enseignants spécialisés dans l'écriture en braille On a assez d'enseignants spécialisés, puisque sans même les enseignants non-voyants, on a des enseignants qui ont reçu des formations. Et pour les enseignants non-voyants, nous avons cinq, enseignants. Et pour ce qui est du matériel, est-ce que vous avez des soucis de ce côté-là En tout cas, nous n'avons pas de problème de matériel. Hmm, ce qu'on a de, peut nous assurer une année pleine. Voilà, chers auditeurs, avant de poursuivre ces échanges, faisons place à la revue de la presse présentée par Rafika Tahir. Bonjour Rafika. Bonjour Fanta. Alors, le président Tiani à Bamako et à Ouagadougou pour une visite d'État pour sa première sortie à l'international, titre le site d'information Action Niger dans sa parution du jeudi 23 novembre. Effectivement, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdramantiani, a quitté Niamey le jeudi 23 novembre 2023 dans l'après-midi à destination de Bamako et Ouagadougou où il effectue ses premières visites officielles de travail et d'amitié depuis sa prise de pouvoir le 26 juillet dernier. Dans les deux capitales, le chef de l'État a eu des entretiens avec ses homologues, le colonel Assimi Goïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso sur les moyens de renforcer la coopération entre les trois pays du Liptako-Gourma, notamment dans le cadre des ambitions que s'est assignée l'Alliance des États du Sahel AES qu'ils ont créée en septembre dernier pour prendre en charge ensemble les défis communs, en particulier les menaces sécuritaires et le développement socio-économique et politique dans un contexte de transition pour le Niger, le Mali et le Burkina. Rafika, un incendie fait 19 boutiques consumées dans le grand marché de Difa, mentionne une publication de l'agence nigérienne de presse ANP du mercredi 29, 23 novembre. C'est une situation désolante pour la population de Difa. En effet, un incendie s'est déclaré mardi dans le grand marché de Difa dans les environs de 19h. Selon le secrétaire général du gouvernorat de Difa, Boué, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer sur le quartier des vendeurs de téléphone a été touché. Le secrétaire général du gouvernorat de la région a déclaré, je cite, Au marché, il y a eu des difficultés d'accéder au lieu d'incendie où il a fallu détruire trois boutiques pour y accéder. Et ajoute que ce qui m'amène à lancer un appel au gestionnaire du marché pour qu'il puisse dégager l'accès au cas où il y aura ces genres d'incendie. Fin de citation. La cause de l'incendie n'est pas encore connue, mais les investigations se poursuivent, a précisé le secrétaire général du gouvernorat de la région Ambaliboué. Et sanction de la CDAO, le délibéré du procès d'État du Niger contre la conférence des chefs d'État fixée au 7 décembre, rapporte Actu Niger. Eh bien, la Cour de justice de la CDAO a examiné mardi 21 novembre à Abuja, au Nigeria, l'affaire du procès intenté par l'État du Niger et sept autre plaignant contre la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation communautaire. après audition des avocats des deux parties, la Cour a fixé au 7 décembre prochain le délibéré de l'affaire qui porte cette fois sur l'appréciation par les juges de la légalité des sanctions économiques et financières prises contre le Niger par les dirigeants de la CDAO lors du sommet du 30 juillet dernier suite au coup d'État du CNSP du 26 juillet 2023. Dans leur prédoirie, les avocats du Niger ont entre autres mis en avant le caractère illégal des sanctions économiques et financières qui ne s'appuient sur aucun texte de l'organisation communautaire d'intégrer selon eux et ont surtout insisté sur leurs effets néfastes sur la population avec la fermeture des frontières qui empêche l'approvisionnement du pays même pour les produits alimentaires et pharmaceutiques, le gel des avoirs de l'État du Niger et des entreprises publiques, la suspension des les transactions commerciales et financières ainsi que celles de la fourniture d'électricité par le Nigeria, conclut le site d'information Actu Niger. Deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mena le grand jeu et bat les Polo de la Zambie 2 buts à 1, indique agence nigérienne de presse ANP dans son édition du mercredi 22 novembre 2023. Sans doute une réjouissance pour les Nigériens Salamotou après son entame raté face au Taifa Star de la Tanzanie 0-1. Le 17 novembre dernier, le mina national du Niger revient de la course en battant les Chipolopolo de la Zambie sur le score de 2 buts à 1 mardi passé au grand stade de Marrakech du Maroc. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Niger se rattrape. Les protégés de l'entraîneur Zakaria Ibrahim ont dès le coup d'envoi du directeur de la rencontre pris d'assaut le camp des Zambiens qui se sentaient en confiance après leur victoire 4 buts à 2 face aux Congolais lors de la première journée. Voilà pour euh, cette revue de presse. Merci beaucoup Rafika. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, la deuxième partie euh, de l'entretien du jour avec Madame Zakari Saadatou Andilo, directrice de l'école Mamadou Nuhu d'Ottawa, qui accueille les enfants avec un déficit visuel. Ici, elle parle de quelques bonnes pratiques utilisées pour maintenir ces élèves malvoyants à l'école. Les années antérieures, il y a l'EPAM qui a installé une mini-cantine pour ces enfants-là. Ils passent la journée à l'école, on leur prépare, ils mangent, ils ne rentrent que dans la soirée. Depuis, avec l'avènement de l'insécurité, là, ils ont déployé leur, comme leur aide là, aux Et maintenant, la cantine n'est plus fonctionnelle. Bon, si c'est un cri de cœur qu'on doit lancer aux partenaires qui peuvent, qui peuvent aider ces enfants. Parce qu'en quoi cette cantine maintient les élèves à l'école Oui, puisque on a réduit leur déperdition scolaire. Le fait qu'ils ne viennent pas, s'ils arrivent le matin, qu'ils viennent même s'ils viennent en retard, ils sont à l'école, ils ne descendent que le soir. Donc on a réduit le retard du soir, vous comprenez mhm. Comment ils n'ont pas de problème donc de manger ni de euh, leur hygiène même puisqu'ils sont à l'école et on s'occupe d'eux. Et comment vous faites pour renforcer leur cohésion avec les autres élèves dits normaux ils n'ont pas de problème parce qu'on sensibilise dès la rentrée. Pour ceux qui sont venus, les nouveaux venus, les enfants handicapés, on les sensibilise qu'ils ne se voient pas un peu inférieurs aux autres. Là. Et, euh, voilà, et les camarades aussi. On essaie à chaque fois si un cas se présente, qu'un un, élève dit normal est en train de taquiner l'autre là, on explique aux enfants donc nul ne, peut échapper à l'handicap, ça arrive et c'est ça. En tout cas, ils n'ont pas de problème. Ça aurait été que vous êtes venu pendant la récréation, vous allez voir comment l'intégration a réussi. Ils jouent ensemble malgré que l'enfant ne voit pas, mais il court derrière ses camarades. Tout ça là, il n'y a pas de problème ils n'ont pas de problème d'intégration. Mhm. À part le PAM, est-ce que vous avez eu d'autres euh, partenariats Bien sûr. je, parle des années antérieures. Donc, euh, il y a World Vision qui a eu à les aider côté alimentation, leur alimentation, leur distribuer souvent des vivres. Il y a le HI tous ces projets-là où les ONG-là ne sont plus ici à Tawa maintenant. HI aussi, vous voyez les ordinateurs que vous voyez là, c'est le nom de HI pour les enfants handicapés. On leur apprenait l'informatique adaptée. Donc c'est spécialisé C'est spécialisé. Mhm. Et on a installé un logiciel là qui parle et ils peuvent manier l'ordinateur comme ils veulent. Donc euh, à part cela, présentement, je ne sais pas avec leur fédération s'ils ont des partenaires. Nous, depuis le départ de HI on est à la quête de ces partenaires-là. D'accord. À part l'informatique spécialisée, est-ce qu'il y a d'autres cours spécialisés juste pour eux Pas tout à fait. Seulement si ils ont fait des leçons qu'ils ne comprennent pas, ces maîtres-là dont je vous parle non voit hein, se retirent dans, leur classe intégratrice avec les enfants et ils font des répétitions. Sinon, à part le braille, les cours-là sont ah, mais parce que vous aviez des classes spécialement conçues pour ça Oui, c'est ça, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit CI intégratrice, CP intégratrice, CE intégratrice. Ils sont placés dans une classe uniquement ces enfants-là en situation d'handicap, plus leur maître spécialisé. Mais une fois au CE2, on fait l'intégration, on les regroupe avec leur père et on fait le cours normalement. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, la rubrique entrepreneuriat de cette semaine nous amène à la découverte du groupement des femmes transformatrices de Torodi, région de Tilabiri. Une centaine de femmes sont regroupées dans ces groupes spécialisés dans l'agroalimentaire depuis plus de dix ans. Madame Ismail Halima Kindo nous explique comment cela fonctionne. Elle est au micro de Hawa Ousmane. ayima yogiti madan sumagal magal halimu cindo ir man funu kala toroji laborani o ir funu ir kande jinai exposition o ki kagate fonaf ir kande jinai gacabe gogati to gina yi fo do fo na ran kande sintin gina dai wo kan yir kande yir kande yu yir kande damsiji yir kande garbeji yir kande kuli kuli yir kande dan wake yir kande wase yir kande dungurin da mo ki gane nyeri wodi yanno irkande da neri. to da gine ara kara Kun ge no garin se grupo ma no goisi mutuna ma grupo ma potan torodi Ara ga to bamra jin kan grupo wallahi borai ga ba wo irgo to sanga boro songunda haifu yankan zan zanka wai zan zanka kaina satare da zankai to gine ku kan ara gote manga kin aran konde gine re wallahi gine wo ne wo iri prodi faro ngano ti nyeri nyeri yo mo ido no konda chad 77 pays africain irka 3e ti nyeri di nyeri dunguri ndamono dunguri ndamono kiga dunguro da mo hadan charra te kuskus ibdo no mo ga niger bo boda to no nguta ci hali gu kidwa idwa ga kam man ti chad chad bo 3e pays irka 77 pays africain to so ato girma jikini kan arna bu singe zam hanka sene dwagana fo bobo zam hari bobo gono kan dini koyni celerani si bay niko du ido bay ray ngay mo gudu ni ga bay yati ngana fo kursi na aranga cer bay so hon kun ngane ya irka fo na fo itti cere eh? igog makani go fo hadi cer to zango fogti sanda kan ngaram go gine berbere yon wallahi sanda kan borgo irgo digine ga agati han yon borgo gina kan ni bani berbere agonda dogone han fo mo gina han ko gido dogo ne ko nan han fo way boren bay groupe ma way bora afoyon gon ka ga kai ko teni se afoyon gono ka dai didi ni oto wato ga boramka sanda wato sika amma han ka han boradi turo bosu agoga hay wato ni ka inda ara dogo jarra nigi di son groupe ma aran go bor zungunda hay fo me son din ko kadin go ga transformation o te bor kan ga ka isbisi bor gu iddu hanka han kani o to mo bora ame ka ga ningi aran dara ni go chara yatin be kan kan kan gwara to kan ka ne wuljer aran gini aran kon gai damuwa ne ne rendo do har wallahi irmon bai konda skal sor kollon kir ko chat to wo fo giti bore kan garan gine yide wallahi ko ara bore gine yide dir fatamo bore gi dai bara bore wallahi ga dai kuskuso wo ne wo dai kanti ne hotel wo ido na prodio hina ise in ka inir kan da projo ir ma te ngai se ngai mdi mar kan projo gi ma ido na kan da ne wo dai kalo wo ra dai ai wo bumbo da no kan da kalo ra ga prepare ga ga fai bora ise non gubo mo gono kan gir hada ir ma sambu ir ko ga tabi tabise marti ga prepare na ga dai borai go ga dai go ga mamu tofu gati ginda da yan kan na gidan borega an kan gati ir wannan fu gine kirgo ga te imilo gabi wallahi wo fu gine kirgo te ke minno gabi ir wo gwamnato da kwara bore borke kan te kan ga bai im kaga di ser bin im na ga irjine da irsi zaman da bore kan goji ne albere kan goji ndi man ka jinai da ya tinga bande bor man na kaga dai ya tinga da jin bore go ga dai ya tinga tiri no bande bore ma dai zaman kun ga no ya important no mo ano ya kan ato wala dali na ga ni fam da ir nan gudu go gudi irse no i ga dina dai no tiri no irmu du markir ga te da me wala da me dir sin din sin di hina hun kun kan nongo su ir wo kila me ami irsa dai kalmi irita ne kalmi fra din demi kilade mil fran nirganer to hun kunin mu ato nungu kat mando ni te hat maner mil fran ni be kan asinga ner mil fran ko inanda zam mo aga tada dunguro tada ta sabu mu hun kundin mu adai matkano ni ko ga hayonda kilo follo mu sahaya tensida Chers auditeurs, nous allons souffler encore une fois de plus en musique avec le son d'Ounia de Gaze Band. bakin kwade ta tamna bakin kashi ya tsaya a makogoro kalkaci kalkasha rabon wani titre Dunia du légendaire orchestre Gez que vous écoutez en ce moment. Un titre à travers lequel il évoque le côté éphémère de la vie. Depuis des années, Gez Band, à travers ses chansons aussi significatives les unes que les autres, font vibrer les mélomanes nigériens. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, place à notre reportage région. Pendant cette période de froid, on a enregistre de nombreux cas de rhume. Et oui, Fanta, les personnes âgées et les enfants sont les plus exposés à la maladie. Plus de détails avec Dr Hassan Harouna, médecin généraliste à la clinique Kwarakano, sur ce qui favorise la survenue du rhume. En cette période de froid, on enregistre de nombreux cas de rhume. Les personnes âgées et les enfants sont les plus exposés à la maladie. Plus de détails avec Dr Hassan Harouna, médecin généraliste à la clinique Warakanou, sur ce qui favorise la survenue du rhume. Parmi les facteurs qui favorisent la survenue du rhume pendant cette période surtout, il y a l'humidité, la fraîcheur, euh, la fumée qui tous vont déstabiliser les défenses euh, naturelles locales de l'organisme et favoriser donc l'implantation des virus. Il y a aussi le stress et la fatigue intense. L'hyperactivité peut favoriser aussi la survenue du rhume. Ceux qui ont des maladies chroniques peuvent aussi facilement être atteints par cette maladie. Protéger les personnes âgées contre le voie. les personnes qui ont des maladies chroniques aussi les protéger contre les coups de froid, se protéger le nez, le visage en sortant, éviter la fumée, se reposer au maximum, de réduire l'hyperactivité et surtout les mesures d'hygiène il y a aussi le fait de vivre en communauté dans un endroit clos comme euh, au travail ou à l'école pour les enfants. Des mesures de prévention existent pour éviter de tomber malade selon les médecins. On peut prévenir le rhume à travers plusieurs mesures personnelles et communautaires. Les enfants et les vieillards sont les plus atteints par la gravité de cette maladie. Le respect de ces mesures d'hygiène permettra de stopper la propagation des virus à travers les mains et diminuer aussi la promiscuité. Les enfants doivent être protégés et ne doivent pas subir la torture de bain chaque matin ou les laisser s'amuser avec l'eau pendant toute une période de la journée, surtout les matinées. S'il y a lieu de faire un bain à un enfant, le faire avec de l'eau chaude à l'intérieur de la chambre le sécher, le couvrir avant de le permettre de sortir. Et ces mesures-là sont aussi valables pour les personnes plus âgées. En cas de rime, les médecins recommandent une consultation médicale pour une meilleure prise en charge avant toute complication, notamment pour les personnes vulnérables, enfants et des personnes âgées pendant cette période froide. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent au sport avec Hasumi Guruza. Bonjour Guruza. Bonjour Fanta, bonjour Salamatou. Bonjour. Alors Guruza, une fois n'est pas coutume, nous allons débuter cette page sport avec la pétanque. Oui, et nous partons à Maradi pour voir comment la boule se joue. Il faut le rappeler, c'est un sport passionnant, ouvert pour tout les âges. La capitale économique du Niger dispose d'une ligue de pétanque à l'instar des autres régions du pays depuis 15 ans et organise des activités tout au long de l'année. Salamot Kadri, notre consoeur, a rencontré Mohamed Aminou Abibou, membre de la ligue régionale de Maradi, et nous en dit un peu plus euh, sur la discipline dans la région. Notre ligue régionale existe depuis fort longtemps, plus de 15 ans maintenant que on est en train de jouer la pétanque. Et c'est un sport vraiment ouvert à tout le monde, à tout âge. Ici, notre ligue, elle renferme 4 à 5 districts. En Maradi, il y a un district, il regorge 3 clubs, un district, dans un district, un district, Agué aussi, a un district. Notre dernière assise était le regroupement pour la sélection de l'équipe nationale qui allait représenter le Niger dans un tournoi international. Sinon, chaque année, on a un calendrier bien garni. Il y a des rencontres amicales. Rien qu'avant-hier, on était à Zender pour une rencontre amicale. Et d'ici peu, Inch'Allah, en décembre, il y aura un championnat national qui aura lieu à Agadez. Gourouza, la deuxième journée de la Super League commence aujourd'hui. Quel est le programme Salamot, cet après-midi, il y aura la rencontre entre euh, l'Olympique et la gendarmerie. Demain samedi, euh, sont prévues quatre rencontres. L'AS Garde Nationale qui aura l'espoir de Zender. Ensuite, euh, l'AS Fan se déplacera pour Maradi pour affronter le Jean Gorzo FC. Le Liberté de Niamey recevra à Niamey le Tagour Provincial Club de Dosso, puis Ottawa. Tawa accueille Renaissance à l'ADER et dimanche, ça sera le tour de l'AS Police Nigelec à Niamey. Voilà pour le soir d'aujourd'hui. Merci, Grouze. Merci. Chers auditeurs, c'est l'heure du portrait du jour Fanta qui est la star du jour. Elle s'appelle Khadija Souley Abaradine. Elle s'est convertie en entrepreneur au détriment de l'enseignement, son métier initial. Entre les deux, le choix n'a pas été facile. Khadija a même créé son entreprise spécialisée dans le commerce général, notamment d'articles féminins. Le portrait est signé Habiba Ahmed. Moi, c'est Kadia Souley Abaradine. Je suis promotrice de l'entreprise Radine qui œuvre dans la couture, restauration et commerce général. Donc, j'ai choisi d'abandonner l'éducation pour embrasser l'entrepreneuriat parce que je n'arrive pas à mieux me gérer avec mon salaire. Vu j'ai une famille, mes parents, mes soeurs, ma fille aussi, je n'ai qu'une seule fille. Pourquoi les noms Radin J'ai pris le nom Radin du nom de mon grand-père. Donc mon grand-père s'appelait Abaradine. Il y avait un cousin qui a pris la moitié du nom de notre grand-père pour créer son entreprise qui est Abara Shop. Et moi, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre la dernière partie qui est Radine Donc, d'où le nom Radine à mon entreprise. Quelles ont été les procédures que vous avez suivies pour ouvrir votre entreprise Donc, les procédures n'étaient pas longues. J'ai contacté un de mes formateurs pour lui demander comment créer une entreprise. Maintenant, il m'a aidé. Il m'a dit de faire mon if et mes RCCM si j'ai tous les, les accessoires disponibles. Donc, c'est à travers ces conseils que j'ai pu ouvrir mon entreprise en faisant mes papiers pour être en règle. Comment a été le début Au tout début, j'ai jonglé avec euh, l'enseignement et l'entrepreneuriat. C'est difficile vraiment venir à l'école, monter sur la machine, partir au marché, payer les accessoires. Vraiment, c'est pas du tout facile. Mais comme c'est un métier que vraiment j'aime, j'arrive à gérer. Et du coup, quand je vois que vraiment ça va, je peux m'en sortir avec l'entrepreneuriat, j'ai décidé d'abandonner carrément l'enseignement pour embrasser l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes dans les domaines des cosmétiques et autres accessoires des femmes. Pourquoi femmes seulement J'ai choisi la parfumerie parce que c'est un domaine qui rapporte. La femme est une beauté. La femme, c'est une bonne senteur. Donc, du coup, j'ai choisi. Une bonne femme doit sentir bonne et encore sa maison aussi doit sentir bonne. Donc je me suis décidé pourquoi ne pas ouvrir une parfumerie. C'est pas pour femmes seulement, je fais pour les hommes aussi, pour la chambre, pour les douches, pour les draps, tout. Quelles sont les activités que vous menez côté homme Côté homme, donc, euh, j'ai fait les parfums pour hommes, j'ai fait couture pour hommes aussi. Couture, on fait genre costume et tunique et boubou aussi c'est vous-même qui cousez ou bien vous avez des employés Je couds moi-même aussi, j'ai des employés qui m'aident parce que je ne peux pas travailler seul dans l'entreprise. Comment vous conciliez vos responsabilités de foyer et votre entreprise J'arrive à mieux gérer mon foyer avec mon entreprise parce que j'ai un mari qui me soutient, qui me comprend aussi, parce que c'est avec lui que je puis monter mon entreprise. Ma famille également me soutient, j'arrive à me gérer. Alhamdulillah. Comment vont les affaires maintenant Bon, je ne peux pas dire que même maintenant, ça va, ça va. Vu la situation du pays, vraiment, le marché ont diminué. Voilà, il n'y a pas trop de marché comme auparavant. Depuis l'avènement du 26 juillet, vraiment, les choses ont un peu changé. Avec la couture, ça va, vu la rentrée, la couture des tenues. Donc, avec ça, on arrive à s'en sortir. Mais côté restauration, comme les organisations, les ONG se sont un peu retirées du pays. Donc, vraiment, il y a là un peu de problème parce qu'on n'arrive pas à avoir beaucoup de marché. Mais côté aussi parfumerie, ça va parce que j'arrive à vendre ce que je conçois. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui veulent entreprendre Tout début est difficile. Tant qu'on n'est pas dans le domaine, c'est ce qu'on voit. Mais étant dans le domaine, dès que la personne embrasse l'entrepreneuriat, il va voir que ce qu'il voit là, en étant dehors, c'est pas ça. Il suffit d'y entrer dans le métier, il va voir que c'est pas ça. Donc, il suffit d'avoir un objectif. Donc, quand tu te fixes un objectif, il faut te dire qu'il faut que tu atteignes cet objectif-là. Donc, avec euh, la vision que tu as, tu peux t'en sortir avec euh, l'aide de ta famille, avec euh, le courage que tu as, avec la créativité que tu as, tu peux t'en sortir. Donc, rester, dire que tu attends à ce que le gouvernement t'embauche dans un bureau ou bien dans un service, vraiment, il faut que les jeunes changent. Le temps ne peut pas donner le travail à tous les jeunes diplômés ça ne peut pas se faire. Donc il faut que les jeunes sortent de leur coin pour qu'ils puissent entreprendre. Les jeunes d'aujourd'hui, à travers les télé autres, les jeunes d'aujourd'hui sont créatifs, mais ils n'aiment pas entreprendre. Ils se disent que si je sors pour peut-être vendre des trucs. Non, on va me dire, j'ai un diplôme, j'ai le bac et me voilà sur la rue en train de vendre. Alors que c'est pas ça, il n'y a pas de ce métier. Tu veux être autonome, donc il faut que tu sors de ton coin. L'État ne te donne pas le boulot, donc il faut que tu cherches une activité euh, génératrice de revenus qui peut t'aider et aider ta famille. Donc, euh, j'invite euh, tous les jeunes diplômés qui n'ont pas de travail à se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec l'aide des bailleurs de fonds, ils peuvent s'en sortir. Comment en bénéficier Là, il faut avoir des formations dans les centres d'incubation comme SIPMEN, il y a Sipmen ici à Tawa, il y a SIPMEN, il y a PEPET. Donc, elle aide les jeunes à avoir des formations sur l'entrepreneuriat, les accompagne à monter leur business plan, tout et à avoir des financements. Chers auditeurs, dernier tour en musique pour boucler notre playlist de ce matin. Nous allons écouter Yan Oa Samaria. da ka samari a ɗoko abin kiri samayi da yan marata nijar mun ga gan mun tara garan uwayen abin da ke ƙasar turawa aujourd'hui parle de la responsabilité des maris. Dans le couple, la responsabilité de chaque conjoint est située. Aujourd'hui, le rôti parle des euh, responsabilité du mari envers son épouse et ses enfants. Une discussion entre Rekia Arimi, Samira Rouafi et Asma Nishina. <laughs> <laughs> wa alaikum assalam aisa ba ni mo kan ni goga he ifo gati tanti ai wai farga wallahi ai sihini yawo da tabi wallahi sihini subhanallah ai wai gabu no wallahi ai farga subhanallah hadda buya ifo gati heka kiyai sai bani ifo note wallahi usmanu amma ba ta yi hannu in ka kai ya kafu yan ai salan agan sai tabo kan ai te usman bande agan salan ai sai agan ne mi ye so ingine ya ayega sintin ingida yama a gwanda noro amma a singa ban wari da gagi sirse windora ha a wanji ga fu noro bana windi koyo gidi ka kaye bon son koi ne zan kai noro ko je soki ne mkandala kol a wanji gano koi na gwanda noro so ingi zan kai gono dinga gisai sai fu yan isi koi la kol wallahi sihini ai isi ya kwara wallahi hey ir <laughs> hey dangai na ngai mai hijabu boga ka iri koi gagar a yi kya sai haikan yan hima kagan ji waltanti a si ba fu hey nan akka gaigar ne ai go ne ba ba ba ai go tusu ba assalamu alaikum wa alaikum assalam ah tanti ana iri kwaran kuna lokaci ku oho ai ga ne za su bai nai go ne ai gogin botu bot <laughs> tabbat ranga cim aiman wasu ka haboci na no go yadin so da ko mbo kasino to irkoi dai mu dago nan di aizo ni ma ga sai nai ka windora ka goro irin musalam to ni di kan sai aika ne newo ai mu doga salan ni seno hayai wo kan ni goga ce asibori ate handu yanne ya kan aika na ran sasabandi nin da aisa ni gorga sino kan halga kason ni man barmai son wa ayika aisi da sanni ta gifu kwai ne halga ka son ni menin da hadin bar mai wala aha haisa ni goge ma wasar kurara yan obban da kadin kun fu mu wai haire do kai jombe ha usman amanin masara guna ba a ga hamo ganki gun matkan ko ciwo ga hamo goda ha a fabu a bi ya kino ni kai ga sambun da ni siga wayan di ni siga bankarai ha wofo tin goyo windo wora tantam musu. ai bo kan kurnyo ya na gor habora ai kursi ba han kan gwa ai mi ka fu ko ne kai na kan ai gudu ne ye ko ka jine te jen dai da ye kan da habora be du riba ai ga kan da wal man ta yadin usman irkoi dai mini yafa ni wanda wo no go hai kuljine a wani saluyan a wani ware a wani bankara da wani gahamu bano ni himano ni maguna zaka nin sambu yi kwarga kata newo ni bonno a wani tina kulgo ya dino arsilam tare ne amma ni wa mutukan ni goga san bunda. irko gihin gihingin hada su bafa subhanallah ta hamsu musibo na won ware shi. ya dinga din si baba na wo min gana gorgin hale hansefa hai kai na kan ni gudu a ga wasa ni wani neran do din wani almiya laise ni si bai matukan no zankai gin na fanda su ba tunu amma din siga din ti sai haiki gaba su ba isi ba fonga niga abinda ga kan bana musu ba tanti walhanan aisi aranga cim man tai gano ni ga alhaiha ni wanda gano ni ga alhaiha usman ar ma dugaran gwarai te i hannu haisa alhana isi musfan da yihin ne ai faham da ta loda tina kan gwaijin da bandabo dai son aban in kunu me ai kul kan gwaijin da bandabo ai kesin ka tabbatan di nin da zan kai sai aiwa din dinga mbono usman ai sofu dai mi yefu zama ga bekan ni ga sintin haisa ai ga tabbatar din sai kan a asiyeg koyi ne wone wo muna mananeyay a haysa hay kaŋ ay ga ciinise gor ni fu wora ni misali ni kai din kurnye za ka ni wo ni ha alhahi ma alhana se aiwo garan nan armadu garan sannai sai aran gamara duk sabu ik sabu setan dai magan ba to ma albarka da na Merci les filles et merci à Moussa Hassan. Chers auditeurs, c'est l'heure de la culture linguistique avec Alamir Ouachar. Qu'est-ce que tu nous apportes ce matin Aujourd'hui, je vous apporte les mots décortiquage. Le décortiquage est l'action de décortiquer. Littéralement, ça veut dire enlever la coque. Cela concerne surtout les céréales et les, les oléagineux dont la coque ne sont pas très solidaires de la graine. Par exemple, on fait la séparation de la balle du padine. Pour obtenir les graines, c'est dit blanchissement. C'est blanchiment. Autant pour moi. Pour certaines, comme les riz ou les arachides, il existe des machines appelées décortiqueuses. Ici au Niger, chez, nombre, chez de nombreux producteurs,

يارتا دغا التغمانيا الميسار فلقنا ويقلنا إين لي مدغا قلنا ويقلن تنزان درتا شيلات نسا دغرت ويقلنا السمزي انتبلد التاسنانت مدغ تزنزفاني أرتا ويتا وقوف لدي تو تابلتين شيلاتا أمك وزاونتني دغا او قرنتا تافغت رجوجيا لا انتو ماشين وين استاوكو داني جار قتنيتي دن ماجيا كون توتا جنينيجي ستارت تن العادة تتي موصن شيدوت دغا كلا وين سفو Merci à la wa chers auditeurs. N'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou expressions dont vous souhaiterez comprendre en anglais, Hausa, Jarma, Tamashek ou en Fulfulde. N'hésitez pas à nous envoyer des SMS. Et justement, nous allons écouter les messages de nos auditeurs. Bashaka, studio kalangu a daidai wannan lokuta da suka fara abubuwansu a kan facebook da youtube da sauransu to gaskiya ni na kan sauraron studio kalangu a radio haka da kuma youtube wani lokaci ina dubawa ina ganin abubuwan da suke yi bismillahi shirye-shiryen da suke kayatar da ni babu kaman shirin da suke mai da hankali akan matasa da kuma irin yadda suke kokari na ganin sun bunƙasa kasuwancinsu da kuma mawaƙa matasanmu sai ɓangare na biyu irin shirye-shiryen da suka mai da hankali akan radiyoyi da suke cikin komin yadda suke zuwa suna ƙara musu ƙwarin gwiwa suna ƙara musu ilimi da kuma ba su kayan aiki da kuma musamman shiri da suke yi suna sakawa na tattaunawa da masu ƙananan sana'o'i a cikin ƙauyuka wannan shirin gaskiya yana birge mu wallahi yana burge mu sosai kuma yana ƙara wayar da kan matasa yana ƙara nuna cewa studio kalangu gaskiya studio ce wadda tana son cigaban matasa to shawara ta dai abin ya kamata a rinka ƙara mintuttukan da ake sawa na hirarrakin da ake da mutane ya kamata a rinka ƙara su e a rinka ƙara su ina gaida ibrahim alhaji manzozo mamman sani daura hanza da kuma yakuba umaru mingizawa da magaran Chers auditeurs, Ndadi Karewa, les bonnes choses ne durent jamais. C'est ici que prend fin notre émission Le Niger sur Kalangu, c'est le dernier de cette semaine. Et oui, Salamantou, on se capte la semaine prochaine pour d'autres numéros. Vous étiez en compagnie de Salamantou Kadri et moi-même Fanta Chamsou. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous. Bye bye. Bye bye.